d'abord remercier le préfet de Mbour et les maires de Mbour et de Sali. Également l'ensemble des autorités qui nous ont accueillis ce matin dans le département de Mbour. donc les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie, donc qui ont bien voulu donc, se joindre à nous pour faire un peu la visite de nos chantiers dans le département de Mbour. Euh, il y a quatre composantes aujourd'hui que nous sommes venus voir. C'est d'abord la maison où nous sommes aujourd'hui. Donc l'espace euh, Sénégal Service, la maison du citoyen, où nous allons en tout cas avoir un guichet unique pour l'administration. Nous voulons permettre vraiment à chaque citoyen d'avoir euh, beaucoup de facilité à se doter d'actes administratifs. C'est pour cela que euh, le président de la République Macky Sall nous a instruit vraiment de travailler avec l'ensemble des administrations en utilisant le digital comme support. Donc cette maison que vous voyez ici est une maison euh, euh, digitale. D'abord, euh, elle est connectée à de la fibre optique, donc avec du haut débit, mais également elle est connectée à un réseau de 45 autres maisons qui sont dans l'ensemble des départements du Sénégal. Ce qui permettra tout simplement que véritablement les opérateurs qui vont travailler ici pourront interagir avec ceux de Dakar, de et de Kérougou, de Foundiougne, de n'importe quel département du Sénégal, ce qui va faciliter donc, la vie à nos concitoyens. Et je pense que cela va transformer en réalité le souhait du président Macky Sall qui est d'avoir cette administration de proximité, cette administration qui sert le Sénégalais partout où il va se trouver. Donc une vraie équité au niveau de euh, l'accès aux services de l'administration mais également pour une meilleure connaissance euh, du territoire, Mbou notamment, qui est une, ville économique extrêmement dynamique. Nous avons prévu d'avoir un système qui nous permette d'avoir l'ensemble des données, soit les données géographiques euh, du département, mais également l'ensemble euh, des données de la vie économique, sociale du département de Mbou. Donc c'est des drones donc, qui seront donc, euh, acquis qui pour permettre vraiment d'avoir toutes ces données. Nous voulons que quand un investisseur vient, qu'il soit sénégalais ou étranger, qu'il veuille investir dans le département de qu'il puisse disposer de l'ensemble des données du département. Et je pense que cela va renforcer l'attractivité du département de quand on sait aujourd'hui toute la dynamique qui est en train d'être vraiment menée par les autorités pour renforcer l'économie de, ce département. Donc clairement, c'est un vrai enjeu de développement, euh, que, en tout cas un outil que nous mettons en plus pour vraiment permettre l'essor de, ce, département. Au-delà de cela, le président de la République, euh, Macky Sall, euh, nous a instruit de renforcer la connectivité, notamment la connectivité des espaces publics. Donc la plupart des espaces publics donc, du département de notamment de la commune, mais également de la station balnéaire de Sali, donc vont se doter en Wi-Fi donc, public pour permettre l'accès universel de nos concitoyens à l'Internet, donc au, débit. Au-delà de ce projet, nous avons la composante donc, pour l'éducation. Là, nous avons permis à l'Université virtuelle du Sénégal de se doter de 100 clients légers pour permettre aux étudiants qui viennent dans ces espaces de disposer également d'outils de travail qui leur permettent d'avoir accès aux différents enseignements qui sont en ligne. Également, nous avons un volet extrêmement important avec euh, le ministère de l'Intérieur. C'est l'occasion pour moi de saluer vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité qui nous ont accompagnés durant tout le processus pour vraiment sécuriser les lieux stratégiques euh, de la ville de mais également de la station balnéaire euh, de Sali. Donc tout à l'heure, nous allons visiter donc, le centre de commandement donc, euh, de, de, Sali. pour donc, ce projet, donc, Smart Sénégal, donc, voilà un peu les entités donc, qui sont présentes dans le département de Sur ce volet-là, je pense que le ministère de l'Intérieur est les forces de défense et de sécurité reviendront plus en détail sur les chiffres. Mais clairement, ils nous ont dit, à chaque fois que nous avons en tout cas mis ces dispositifs dans les différents endroits de, la ville, nous avons constaté une baisse de la criminalité. Nous espérons que tout ça va être renforcé, surtout avec euh, donc la mise en place du centre de commandement pour permettre à nos forces de défense et de sécurité, mais au-delà, hein, donc, euh, de l'ensemble des services de l'administration, que ce soit les sapeurs-pompiers, mais également euh, toutes les structures au niveau de la santé qui doivent avoir à temps réel, en tout cas euh, les incidents que nous notons dans les rues du départ de, la commune de Mbourg, mais également de la commune de Sali. Ils pourront agir directement et vraiment permettre à nos, nos concitoyens de vivre dans un meilleur cadre, mais surtout avec toute la sécurité euh, qu'il faut. Le projet globalement, c'est un projet de 150 millions de dollars donc, euh, pour l'ensemble des départements du Sénégal. Donc euh, c'est d'abord le câble sous-marin, comme je l'ai dit, donc pour renforcer la bande passante internationale du Sénégal, les 45 maisons du citoyen, le déploiement des points Wi-Fi, mais également l'équipement de l'ensemble des universités et surtout l'université virtuelle du Sénégal pour donc les les étudiants. Autorité yi nga xamante le préfet du département de Mbour également le maire de Mbour mais aussi maire Sali, et aussi force de défense de sécurité yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun ak autorités euh, hein, donc aussi ñu ngi di remercier ci seen euh, taxawaay euh, pour vraiment visiter ce chantier yi nga xamante ne ñoom ñooy département de Mbour euh, lu ci mel ni tey fii nga xamante ne fi ñu nekk moom euh, donc euh, la maison du citoyen Madame l'espace Sénégal service buy mën a permettre tey administration bi nga xamante ne moom moo au niveau national ñu mën a am un guichet unique fii ci département bi bi nga xamante ne citoyen bi bu ñëwee mu am accès à vraiment la plupart des services publics yi nga xamante ne daf ko soxla donc loolu nag mu am ko ci lu gaaw mais également mu am ko ci ay conditions yu baax maanaam accueil bu baax donc loolu yëpp tey euh, gis nañu ne que travaux yi avancé na bu baax daanaka quatre-vingt-dix pour cent liggéey bi pare na euh, daanaka mën naa fin septembre ñu mun a vraiment euh, liggéey bi loolu nag dañu koy def pour matérialiser un peu ben vœu bu cher bu chef de l'État mais maanaam ñu mën a une administration de proximité une administration au service du citoyen donc lolo tey moo le président Macky Sall dénk ñu projet bi pour vraiment baral l'administration, administration bi permettre citoyen bi mu am un peu boo xamante ne soxla na ko ci administration bi ci anam yu mucc ayib donc lolu mom moy walu euh, maison du citoyen bi Benen bi mom moy euh, walu donc euh, éducation fofu nak dañuy jappalé lépp luy université le département de Mbou, dafa am lu l'espace numérique ouvert Nous avons dañ nos collègues yi nga enseignement supérieur pour renforcer vraiment le système éducatif pour permettre aux permettre étudiants yi nga xamante espace yooyu accès à l'enseignement. enseignement loolu moo waral def nañ fa euh, en tout cas dispositif ordinateur, ordinateurs mais également un dispositifs d'hébergement pour de données permettre étudiants nous ñu euh, dans de bonnes conditions benen bi aussi mom moy walu wifi public wifi nak euh dañ koy def parce que dañu bëgg vraiment sénégalais fépp fu mu nek rek mu a accès internet voilà parce que internet léegi dafa nek jumtukaay boo xamante ne ñëpp ñoom ñoo soxla donc lool mo waral ñu ñu ñu def lu ñu mel euh, fi ci Mbour ci place publique yépp nañ fa def wifi bo xamantene ne mbuurwaay dinañ mëna a dem am accès ci ci ci wifi bobu euh, tout à l'heure dañ dem euh, gis yenn point benen bi aussi mom moy walu sécurité bi ñep xam nañ né Mbour c'est une ville touristique ville la bo xamante euh, vraiment ñu bari ci Sénégal dañu fi ñëw pour mëna vraiment noppalu lolu nak pour mom il faut mu nek une ville sûre ñu mëna renforcer sécurité bi donc lolu le président sant mom moo tax tey ñu gis vraiment à travers la ville de Mbour mais également de Saly des dispositifs qui ñu permettent sécuriser les principaux acteurs de la ville de Sali, mais également de la ville de Mbou. Mbour les forces de défense et de sécurité la gendarmerie mais également la police nationale